cet somme qui symbolise le renouveau du Sénégal. C'est cet homme qui symbolise aujourd'hui tout ce que nous avons de fier, tout ce que nous avons de conviction. L'honorable député Ousmane Sonko, applaudissez fort pour l'honorable député, mettez du Yes. Songo is the building! Songo, you was the building! You was